salaamaaleykum mbokk euh, téléspectateur u Safina TV tey ñu ngi dalal euh, le président euh, Ousmane Wade di ko dalal tey jii nag fii ci Radisson pour waxtaan li nga xamante ni am solo la parce que dañoo dégg ci fan yi ñu génn ne club bi di e-sport de Guédiawaye dafa signer un partenariat wala sax a signé un partenariat avec euh, le club français de AS saint etienne le président en tant que euh, homme bi nga xamante ne club boobu noonu euh, le partenariat. Salam alaikum, wa Safina un mbokki spectateur radio et télé je pense que l'espoir de le club de xaw a la ci ligue sénégalaise de football ça a été créé depuis 2002 nous a ngi koy mais aujourd'hui de par euh, Ligue bu rafet bi ñu di sur le plan européen avec la mutation de certains de nos joueurs on a pu attraper un club euh, qui est Saint-Étienne un club euh, mythique le club le plus titré de la France on a des accords sur une collaboration pluriannuelle annuelle, pour vraiment ni vraiment moom lañ bëgg a qui est ci wàllu jàppale joueurs yi wàllu doxal football Sénégal en tout mm-hmm est la nature du euh, contrat et du partenariat bi ngeen bëgg a doxal seen diggante ak Saint Etienne. contrat nature contrat bi ñaari phase la. Mhm. première phase est mooy comme phase administrative et technique. Mhm. deuxième phase bi phase financière la phase administrative technique mooy wàllu nu ñu a les encadreurs sénégalais yi nga xam ñoo ci de Guédiawaye que ça soit les techniciens et tout ab jàppale leen ci culture de formation bi nga xam ne moom la def deuxième chose aussi permettre les meilleurs jeunes sénégalais yi nga fait ne championnat bi ci club espoir ils ont seen talent ñu ont fait ñu muter dans le club de saint etienne hmm. ci si tu arrives à faire cela il y a l'aspect financier qui est en jeu Pour xam ne ni euh, équipe espoir de Guédiawaye terrain solide par rapport à la compétition et par rapport à son développement en tout cas justement pourquoi le club de l'AS Saint-Etienne et pas pourquoi, par exemple, pourquoi pas Marseille, pourquoi pas l'FC Metz, pourquoi pas un autre club de l'élite française et forcément vous avez misé sur l'AS Saint-Etienne. parce que comme kuy football wax euh, lu adaptation et l'AS Saint-Etienne fait partie des quatre clubs français, les meilleurs formateurs de la France ndax dernière saison y ñu eu les coupes de France coupe de France jeunes ou tournoi de Gambardella mhm. équipe bu saint remporté dans la formation académique saint etienne m'a excellé euh, comme on tire des jeunes africains sénégalais on avons adapté sur des championnats européens y a am na lu ñu adaptation ak euh, tranquillité euh, des clubs comme saint etienne malgré tout ce tout ça derrière am tant temps pour adaptation offrir du yi Il y a des sénégalais qui sont passés là-bas euh, et aussi euh, l'international malien Keita et je pense que loolu rek pour aider les jeunes yi avoir temps pour cette intégration en France mais est ce que ça a été facile de am contact avec euh, l'équipe de mel Saint-Étienne est ce que ça a été vraiment facile ou vous avez un petit peu galéré excusez-moi du mot pour avoir contact AS Saint-Étienne pour mën trouver un partenariat. du galère comme nous York, wax du galère parce que xam que ça soit les équipes françaises ou les équipes sénégalaises l'objectif moi, il faut viser haut. tey nit ki euh, am Ligue liggéey de ce qui est sûr il faut attraper gros L'équipe euh, yu mel Saint Etienne aussi euh, ils sont reconnus dans la formation Il y comme ñun nit ñi équipe bu ñu mën a jàppale ñoom équipe par rapport à la culture et à la politique de jeu war nañ si comme l'homme, la am après euh, bi mu aussi, aussi y a la confiance des deux présidents qui est née et je pense que Sibir, biir loolu moo ñu préfère Saint Etienne Mais mais y avait d'autres choix et justement, qu'est-ce qui a poussé aussi la Saint-Etienne à miser sur le club du sport de Guéjouaï, Pourquoi pas notre club sénégalais De par notre credo, je parle notre credo et notre travail. Je pense que Saint-Etienne, euh, ils sont passés au Sénégal via Yogo. Mm. Après, euh, ils sont retournés, ils ne sont plus venus en Afrique mais tay buñu ñuy ak Espoir de Guédiawaye japp na né Ligue bi moko waral et lu euh, la collaboration vient d'être signée mm. mais sur le dernier année sortie sur la dernière année sortie du mois, il y en a deux joueurs déjà le gardien Boubacar Fall et El euh, l'attaquant mm. qui sont déjà dans le groupe pro de Saint-Etienne mm. ça prouve que c'est un travail qui euh, débute avec une totale réussite justement ñan ñoo leen accompagner projet pour vous le projet bi accompagné, accompagner je pense pas que saint etienne accompagne aussi parce que espoir ligue, liggéey ba am ay joueurs yoo sur le plan professionnel pour amener ne dans le circuit européen ñu parce qu'il y avait d'autres équipes y avait y avait par exemple sur le gardien Boubacar Il y avait des équipes comme Chelsea des équipes comme Milan des équipes comme la Gantoise des équipes comme Alaves des équipes comme euh, Feyenoord je pense que si on a choisi saint etienne parce que c'est la politique de formation et l'intégration rapide qui nous a poussé. Plus, euh, c'est le club qui donne aussi chance aux jeunes. Quoi. <laughs> Et euh, que nous terminer justement avec que comme t'es équipe vous menez à Saint-Étienne est-ce que vous n'êtes une e-sport de Guédiawaye am ay ambition de qualifier championnat du Sénégal. ambition est déjà c'est né parce que l'ambition c'est que dans les deux ans qui viennent maximum euh, on aimerait être en ligue professionnelle. Ça veut dire que taille objectivité, c'est la préformation. Mais n'empêche sur le plan euh, développement, je pense que l'ambition c'est être parmi les ténors du championnat sénégalais et permettre aux jeunes de compétir dans la rigueur et dans la compétitivité en D'accord. Monsieur Wad, on vous remercie. Merci beaucoup et je les remercier aussi. Dylan est vraiment, Dieu, on est content, on le fait pour le Sénégal. je pense que c'est le Sénégal qui gagnera. Et vraiment, merci à la presse sénégalaise, merci à Safina TV. Merci beaucoup. merci. alors beaucoup de téléspectateurs de Safina TV nous avons le plaisir plaisir à M. Abdou Diagne bi c'est le patron de Transvie comme nous l'avons récent, nous avons ñu signature de partenariat ou un accord que nous avons entre la Saint-Etienne et le club e-sport de Guédiawaï. Nous avons fait un ñu pour laaj ko lan accompagné accompagner un club qui qui est euh, un club qui a de grandes ambitions un club qui euh, est euh, à Guédiawaye nek club boo xamante ni comme ni ñu ko waxee cinq ans ah, euh, dafa signé un accord avec la Saint-Etienne euh, monsieur Diagne ñu ngi lay daral bu baax ci plateau bi di la laaj seen première question lan moo tax ngeen choisir tey jii club men e-sport de Guédiawaye pour accompagner ko. Euh, jërëjëf ñu ngi lay sant di la gërëm ci dalal bi d'abord foog naa réponse bi am nga ko ci sa sa introduction sànq ne espoir de Guédiawaye dañu am grande ambition. comme nag loolu bokk na ci li tax ñu accompagner leen ci biir ndax dañoo am ay ambition yu mag fii ci réew mm. euh, bi ndax euh, jafe na ñuy euh, club nañ gis club bi nga xam ne ni club yi nekk yu mag yi nekk bitim réew mm. mën nañ leen accompagner techniquement wala ci ay infrastructure wala ci équipement mais ñooy benn partenariat boo xamante ne maanaam couleur yi ñuy footballé maillot yi jouer sax ñoko ko bokk vraiment dafa doon euh kii bu innovant ben maanaam euh, aspect bu innovant ci ben deux ni ma koy faral di waxe dañuy tam gis ci partenariat yi entre Tugal ak Afrique lu ci bëri ay partenariat nord sud bi ci yeneen aspect lay doon mais euh, raar na ci li ñu koy gis ci ci sport donc partenariat nord sud bi mu doon loo xam ne vraiment ñu rafetlu ko Euh, accompagner euh, Espoir euh, ci ci ci dynamique bi ñu nekk vraiment comme dañ koy faral di def ci ak yeneen dëkk yoo xamante ni fu ñu implanté wu daanaka dinañ accompagner club club bi fa gën a xarañ wala club bi nga xam ne tey am na ambition yu rëy. naka nga gisee partenariat bi nga xamante ni am na ci diggante AS Saint-Étienne ak club bu sport de Guédiawaye. waaw lu ñuy rafetlu la rek ndax dina tax club bi. dina am visibilité dina tax club bi dina am aura euh, dina it euh, mettre confiance partenaires yi accompagner club bi yëpp te it comme ni ma ko waxee léegi am na ay jeexintal yoo xamante ne wax dëgg yàlla dina jëriñ autant club bi autant joueurs yi autant sponsor yi mm-hmm.

Salam, beaucoup téléspectateurs yu Safina TV ñu ngi nous nuyu bu baax di remercier di émission Safi Sport tay nous ñu am plaisir dalal suñu confrère un confrère bi nga xamante nous mu ngi monsieur Seydi euh, presse bu donc euh, ñu dale ko tey pour parler exclusivement de l'équipe nationale du Sénégal comme nous l'avons ko l'équipe équipe nationale du Sénégal dafa football ces deux dernières matchs qualificatifs pour le mondial Qatar 2022 loolu moo tax ñu woo ko tey jii ndax xelam day ci sport particulièrement ci le football monsieur Seydi ñu ngi lay Je maa ngi lay fay mbir am nañu mbégte war a waxtaan passion pour ñu partager ñu ngi lay remercier bu baax a monsieur Seydi suñu première question mooy naka nga gisee liste bu euh, sélectionneur Aliou Cissé té bari na ay péripéties yo xamanténi dañ ko ci jangat ku ci melni la convocation de Pape euh, Gueye bi nga xamanténi mo nek Olympique de Marseille ñu bari rafetlu wuñ ko parce que japp nañu né amna na yeneen yo xamanténi ñu ngi évoluer au Sénégal té mënon nañ bénéficier boobule chance. bon man je pense que déjà. contrairement à peut-être ñu bëri la ñuy xalaat je pense que liste bu am cohérence la parce que ñepp xam c'est quelqu'un ko xam dafa continuité mooy nit la parce que c'est des gens euh, qui sont prêts à tout moment sauver sa part. c'est des gens yuy génn ñëw sauver on se souvient contre Eswatini bu de à la dernière minute donc c'est des jours qui sont là pendant des années di ko ci par rapport à liggéeyam te aussi

La jël aujourd'hui au milieu de terrain du Sénégal Cheikh Kouyaté moo fa Idrissa Gana Gueye moo fa nekk Nampalis Mendy ñoo fa des trentenaires C'est des trentenaires C'est des gens qui ont rempli peut être bu ñu defee coupe d'Afrique, c'est fini peut être coupe du monde à la limite donc il est important nga greffer encore des jeunes dans cette équipe du Sénégal et cela passe par appeler des jeunes comme Papa Alassane Gueye des jeunes comme euh, Pape Matar Sahar, euh, ñeneen ñi nga xam te dans ce groupe Mamadou Ndiaye bi nekk Donc, équipe bi donc Papa Pape Alassane Gaye. loolu mën na ko justifier beneen bi mooy euh, c'est un gaucher le milieu terrain n'a pas de gaucher au moment où l'on parle et n'y a pas en football on dit que tu fais ne est say poste de côté ben droitier nga wala gaucher du côté c'est le contraire donc c'est important nga am gaucher au milieu terrain il va te permettre d'avoir cette transition-là, cette différence entre le jeu bien entendu gagné produit et bien entendu dans le produit. Mais en fait, le produit de Papa la il est intéressant. Il y a une cohorte mais c'est qu'un jour qui est capable de jouer à lui seul devant la défense par son aisance technique. Euh, pas ses qualités de garder le ballon, mm. par ses qualités de trier, pas ses qualités de faire des passes. Il est, capable de jouer ça. Benin côté, c'est quelqu'un qui est capable de jouer double pivot. double pivot avec une autre qui va sûrement gérer les tâches défensives, lui permet de se projeter parce qu'il a une aisance technique beaucoup. Donc, c'est un profil de joueur

il est presque quatrième il est quatrième Boubacar Kamara ah, Rongé nga Gendouzi voilà c'est des joueurs qui ont très mieux joué à son poste il est quatrième ci hiérarchie il est rarement utilisé parce que le système est sans xam ne pour moom il joue dans la vitesse voilà, dans l'énergie, tout. Donc, il a besoin de quelque chose de vivace pour obtenir. Il a cette facilité de transition entre la défense, le milieu, le milieu et l'attaque. donc nous, beaucoup à mettre amee sur mais beneen aussi d'avoir moins de Pape de Santé de la famille. cest que je n'ai pas utilisé. aujourd'hui si on fait jouer par la Santé comme pointe base, lui seul vous peut être bi parce qu'Afrique Afrique Europe l'Afrique nous joue beaucoup. L'Afrique c'est plus physique, c'est plus ñëw song là c'est plus voilà ça dépasse même là ngay taxaw di xaar di des écrans en Afrique amul écran day ñëw sa bopp donc bu fekkee ne euh, dañ koy andi pour nous mag. donc doguma la mais le problème c'est plus sur l'utilisation de Pape Lassane Gueye que sur sa convocation. oui sur son utilisation. d'accord d'abord nan la ko aller Cissé utiliser parce que am na problème bi utilisation on a eu des jeux profil comme Pamata, Mata, Papa Alassane, Pamata Sa par exemple. Mhm. Pamata Sa, il n'est pas utilisé à l'équipe nationale. Pourtant, moment où l'équipe nationale Sénégal, moment où le grand mec en forme, il fait un demi-match à son poste, mu explose. Mhm. Match bi ci topp ñëw bu ko am faire jouer. il est fini. même le miracle ñuy comme nous mel ni à Papa Alassane Gueye. Aujourd'hui, un joueur qui ne joue pas assez en club. La logique veut que beaucoup ko équipe nationale, le joué loo ko ça lui donne de la confiance. loolu mooy loolu mooy prouvé léegi.

entre la convocation et la faisabilité c'est-à-dire que la hum. inquiétude hum. hum. justement parce que nous sommes contre un petit peu cette convocation dañuy wax ça ça va bloquer l'éclosion des jours locaux pourquoi le sujet à chaque fois depuis qu'il est là en tout cas nous remarquons remarqué il fait appel aux binationaux, entre guillemets aux binationaux, parce que c'est vrai que ce sont des Sénégalais, comme tout le monde, ils ont droit à une sélection nationale. Mais on a remarqué quand même que, ce soit avec Abdou Diallo, que ce soit encore une fois avec euh, euh, le dernier Bounessa, et encore une fois avec euh, Pape Alassane Gueye, à chaque fois, il y a des binationaux, binationaux peut-être am jour joueur championnat local yi nga xamante moom lañu bénéficier ci ci ci boobule poste. waaw loolu loolu après beneen beneen débat mooy mooy imposé parce que c'est-à-dire l'un n'empêche pas l'autre moo tax man dama bëgg di ñuy def euh, c'est hmm. ñuy croiser un peu yooyu. Hmm. parce que c'est comme si euh, ñu nekk fii am na lu ñu war a bi nationaux yi ñëw dès l' instant ko nga naan xam critère de sélection lu fi nga nekk. moo côté boobu noonu lay d' les questions des gens par rapport ak lu jour la koy duñ fi nekk man je suis un grand artisan du football local bu ma xam ne moom lay défendre. te loolu dinaa ci wax mais ça c'est pas la même chose c' est critère de sélection dès l' que tu es sénégalais tu te déclares sénégalais rek mooy ni yow. war nga sélectionnable tu es sélectionnable. voilà dès l' instant que mm. dama nga ni il y a yaa ngi

Donc, on se pose la question de savoir est-ce que c'est forcément parfois le muy outil est-ce que soxla na ko wala dafay nduggi loo parce qu'il y a des jours où xam te a peut-être il y a quelque temps un de mes filles, le joueur venait construire via Prague Sima. Sima quoi Sima andi na il a fait jouer latéral. Hmm. c'est fini. est-ce que na ko il a amené Mamba Baba jouer le copiste. il est fini notre jàll donc c'est des stratégies qu'on peut comme ça mais des aujourd'hui, ça ne sert à rien Andy un jour, juste pour Andy, côté Par rapport aux jour locaux, il n'y a aucune concurrence entre les jours locaux et les Mais il y a une logique. La logique voudrait que, si sélectionner NIT, qui hmm. def performance, je sélectionner. Je prends l'exemple Moutar qui a été appelé récemment. mais mais tu tu dis que les critères de sélection performance da beaucoup de questions question critère sais, hmm. performance da tu peux appeler un certain euh, comment il s'appelle Ibrahim Mbaye Ibrahim Mbaye il ne joue pas c'est-à-dire lui situation il a garaaw ay ñoom Bouna Sarr ñooñu sax dañuy am ay 2 minutes 3 minutes mais Ibrahim Mbaye il ne joue pas hmm. c'est-à-dire moom depuis mu dem Bologne demal fiche technique Ibrahim Mbaye il n'a pas 120 minutes en 2 ans donc c'est tout son problème d'appeler ce jour comme ça qui joue un poste aussi stratégique hmm. parce que le football moderne ça parle plus de position ça parle de rôle que tu peux exécuter sur le terrain baron rôle nga mën jouer mm. aujourd'hui le défenseur peut servir de de, de piston mooy nii muy que devant et derrière et tout à des systèmes yo xam te jour et coach bi mooy ko mettre en place mm. Ibrahim Mbaye était mënu la jouer lolo parce que day manque automatisme nekou ci nekou ci mënu ko def yaa comprendre mm. légui benen problème bi posé moy tu fais jouer Moutar en 10 minutes il fait le match de Ibrahima Mbaye bu mu def en 30 wala 60. 70 minutes 70 minutes donc il te fait ça en 10 minutes. Mm. le match d'après, il y a ni da andi Moutar qui démarrent parce que le football l'eau. il reconduit la même personne. il reconduit la même personne. elle passe à côté d'un des Moutar deux minutes la liste suivante gisuñu Moutar. Mm, mm. donc on se pose la question de savoir là mon problème est ce que Aliou Cissé c'est soit lui déjà à na li gars di n'a jamais été une option d'aller c'est. Cissé. Ah bon? D'accord. parce que dafa am manquant. ah bon dernière minute la wo woo Moutar Bane. Hmm. bokkuloon ci liste première bi dem ko Moutar dañ ko wo après. ok dañ ko après donc bokkuloon saa ci plan wu Aliou Cissé donc pour dire que Moutar dañ ko wo parce que ñàkk na pexé c'est comme l'appel de de de Alioune Alioune Alioune Fati. du Cas Sport. C'est parce que qui blessé na euh, Seyni Dieng et que tu diggante boobu mënoo fa def convoquer ben jour bu nek bitim rew bu mu rejoindre tanière bi. Mm-hmm. mu rejoindre équipe bi fale Togo. tu appelles qui, celui qui est le plus proche après nga jaarale ko ci performance muy def récemment nga andi ko. Mm-hmm. mais c'est pas des convocations yo xam te ne da leen ni par mérite da leen woowee. da par des occasions comme ça. Mm-hmm. ñoni yépp c'est similaire. amna ko blessé le lendemain nga convoquer jour local. donc man je dis booy convoquer joueur local basé ko sur des performances C'est des gens qui, s'ils doivent être dans l'équipe nationale du Sénégal, ils doivent le mériter. Comme Nico Adama Mbeng donne Amé à l'époque, comme Nico Gomis Améon à l'époque. Donc il faut que des gens comme ça, nous puissions impliquer dans l'équipe nationale du Sénégal à travers leur performances. Mm. Performance. Moi, je dis il y a quelques années, on a un jour comme Khadim Diaw, mais on est en train de le perdre. On peut le perdre. Mm. Mm. D'infos sûres que va Guinée chose. Parce que sa maman est guinéenne il est à Oréa, il fait des performances Il soxla a ko mën nañ ko jouer. Hmm. yaa hmm. donc c'est tellement simple comme ça mën donc dans l'équipe nationale dans le championnat local il y a de très bons joueurs Tu nga tamit lan andi problème hmm. L'information que les gens reçoivent aussi parfois du bas, à travers les médias, à travers les Sénégalais. Parce que nous, c'est un discours nos championnats à mon niveau. Nos championnats à mon niveau. Mais pourtant, en Europe, on dit que le championnat français n'a pas, de niveau mais les bons joueurs sont sortis de France. Ouais. Mm-hmm. On dit que le championnat national n'a pas de niveau. a de ben hypothèse. Pamata, ça, il était à, à, à, Génération Foot. Mmh. Pamata n'était pas titulaire à Génération Foot. Il jouait rarement. Pamata, je ne sais vous U17, U20. Ouais. Voilà, Todje. une Génération Foot. On l'a amené en France. Six mois après, il est convoqué à l'équipe nationale du Sénégal donc c'est où se trouve le problème. mais même dañuy xaar ba jour yi génn dem ci un club étranger ñu toog leen convoqué. et maintenant ça dafa yokk ci motif yi tax jour yi di à l'époque les jours sortaient parce que dañuy bëgg seen situation améliorée xaalis euh, seen payoor et tout affaire conditions yi. maintenant jour yi dañuy génn parce que xam nañu tey boo génnee tey tey loo cuune cuune boo génnee tey dem benn France bi jouer benn club national dañ lay convoqué c'est ce qu'ils ont compris donc c'est un problème de peut-être de ban de la ñuy le championnat wala lan la ñuy ragal ci convoqué joueurs je nga xam championnat man je comprends pas mais ce n'est pas un problème de niveau parce que bu doon un problème de niveau quand Matar mënu fi joggé 3 mois xawma 6 mois après il est convoqué euh, Ismaïla Sarr national la joggé dafa joggé en 2000 bu muy bu en 2015. 2015 xawma 2016 bu ñuy mhm. coupe du Sénégal contre Casa Sport mu voyagé mais après il est convoqué en équipe nationale du Sénégal quelques mois plus tard mais c'est des choses comme ça yo après que nit na ni non ils ne sont pas convoqués parce que amuñu niveau ne c'est pas un problème de niveau xam le problème mm. parce que ça ça s'appelle le championnat du Sénégal et que l'image qu'on véhicule nous presse ak ñeneen ak ñeneen voyez que le championnat n'a pas de niveau on ne peut pas qualifier un joueur par rapport au championnat auquel il évolue nit il koy qualifier c'est par rapport ak mom lu muy def yo mën nga dem nek ci ben média bu mag par exemple mm. bon xamul dara xamoo dara mm. mun nga dem nekk ci benn média bu ndaw boo xamee dara da ngay xam dara. donc c' est comme ça le sport aussi. mën nga dem nekk Marseille xamoo dara xamoo dara mais y' a des gens aujourd'hui tu football dañ koy seetaan parfois nga toog sa kër seetaan benn jour pro qui joue dans un grand club mu leer na ne xamul dara. Mhm. mais il est là donc il faut, il faut qu'on arrête de juger le championnat national, de juger joueurs. Il y a de très bons joueurs. Il faut qu'on suive le championnat. Il faut qu'on fasse la promotion de ce championnat. Il faut autorité aussi que du championnat pour jouer yi pour a des que il faut que tek joueurs les ci condition entraîné de tax respecter mais c'est loolu amul le championnat le en tout cas le cri de cœur est lancé par Sekou Seydi comme nous l'avons ko des di nekk journaliste buy évolué fële ca radio mais ce qui est fait est fait la liste a déjà été publiée et tout donc Sénégal va a jouer ces deux match euh, qualificatif pour le mondial euh, Qatari 2022. Euh, pour vous, quelle est l'importance de ces deux derniers matchs Bon, c'est des matchs d'abord, le Sénégal est qualifié au dernier tour. C'est des matchs qu'on joue à Surtout, voilà, j'ai oublié de préciser ça, le Sénégal est déjà qualifié, pour les barrages. Au dernier tour. c'est des matchs qui sont très importants aussi. Parce que vous savez, le classement FIFA, il est, il est, décisif. Si aujourd'hui le Sénégal ne va pas rencontrer l'Algérie, le Maroc en photo au dernier village, c'est parce qu'on est première nation africaine okay. le football. Les gens pensent que le classement, FIFA, ça tombe du ciel ouais, ou mhm. quelque chose comme ça. Mhm. C'est des calculs. On te dit par exemple au match de qualification pour une Coupe du Monde, c'est 3 points. Le Sénégal en a gagné 4. 4. Pendant ce temps, l'Algérie a fait un match nul avec le Burkina Faso. Mhm. Plus les points que le Sénégal avait, donc le, nombre continu. Donc là, on compte le nombre de points par match et par rapport à l'importance du match. au match de qualification pour une Coupe du Monde a plus de points qu'un match amical. au match de Coupe d'Afrique a plus de points qu'un simple match. Donc c'est des, des calculs comme ça, c'est pas des choses qui tombent du ciel, non, c'est des faits. L'Algérie peut gagner 50 matchs, 30 en amical, seulement les 20 qui peuvent battre le Sénégal, par exemple, par rapport aux statistiques. Donc ça, c'est important. C'est deux matchs qu'on doit, prendre, qu'on doit prendre au sérieux, pour moi, par rapport aux euh, au classement Mais l'autre chose, c'est des matchs qui doivent servir de préparation à réussir. On est à 60 jours de la Coupe d'Afrique, moins de 60 jours. On est à quelques mois aussi du dernier match de qualification des allers-retours pour la qualification au Mondial Qatar 2022, qui est aussi défi parce que le Sénégal ne peut plus se permettre de rater des rendez-vous comme ça. Rater au Mondial, ce serait une catastrophe pour le Sénégal parce qu'on est la première nation africaine. Mais au-delà d'être la première nation africaine de football, on a des jours qui imposent quand même cette stature-là, Ce mm, mm. cette statut-là au centre, ce statut de première nation africaine de football. Mm. Mais moi je dis, aussi ça va servir à l'UCC de préparer aussi quelques jours et de préparer son groupe qui doit aller au Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, tu as une équipe de 25, 25 jours qui doivent venir, 24 aujourd'hui avec euh, un mhm. Mais je dis que c'est le moment d'essayer quelques jours de les mettre dans le groupe de voir ce qu'ils peuvent apporter à l'équipe nationale du Sénégal. Un joueur comme Papa c'est il n'est jamais utilisé presque. C'est le seul joueur d'ailleurs qui n'a pas joué lors de la d'Afrique de 2019. Euh, le seul joueur dans l'effectif du Sénégal. Mm. Tous les autres ont joué. Donc je, que c'est une opportunité pour essayer des jours comme ça, de les mettre à l'épreuve pour savoir qu'est-ce qu'ils valent. Mm. Parce qu'on ne peut pas exclure un jour de l'équipe nationale du Sénégal sans pour autant le mettre à l'épreuve. Donc c'est le moment d'essayer des choses, des mm. systèmes, de, mettre des joueurs sur le terrain, des joueurs qui n'ont euh, jamais joué et de peaufiner un peu savoir. Faire tourner l'effectif. Et peaufiner un peu savoir quel groupe mhm partir, avec quel groupe partir au Cameroun. Donc tant qu'on n'a pas cette stratégie-là, c'est des matchs qu'il ne faut pas prendre trop au sérieux, mais c'est des matchs qu'il ne faut pas prendre à la légère mm. Parce que j'ai dit le classement, mais il faut aussi bien préparer cette Coupe d'Afrique parce qu'on n'aura pas assez de temps. Mm. On n'aura pas assez de temps, mm. il y a le championnat, il y a d'autres choses à faire. Voilà, la Coupe d'Afrique, ça démarre le 9 janvier. Vous aurez peut-être une dizaine de jours pour préparer une compétition et ce n'est pas n'importe quelle compétition. Moi, je pense que c'est une opportunité pour lui de faire tourner son équipe de se chercher encore. Puisque c'est comme ça, un entraîneur, ça n'a jamais trouvé la solution définitive. Il faut toujours chercher des solutions. Donc c'est une opportunité pour lui de se chercher et de trouver un système définitif. Comme nous avons à deux mois de la Cannes, il y a des jours Il ne joue presque pas. C'est un club. C'est le cas d'Abdou Diallo au PSG, c'est le cas de Bounassar au Bayern de Munich et le cas aussi de Boulaïdia qui est Villarreal. De nous, il aspire vraiment à être dans le 11 titulaire euh, au Cameroun euh, lors de la Cannes. Naka nga ngay jàngatee euh, problèmes des d'où l'importance de ces deux matchs là je prends exemple Abdoulaye Diallo au Paris Saint-Germain il est quatrième je poste hein, mhm. c'est-à-dire lui c'est un défenseur axial il est à gauche pour dépanner. Il dépannait parce que Bernard était blessé. Euh, ils ont recruté Nuno. Il y a Bernard qui est revenu. Nous avons Tu vois, donc lui il est quatrième. À l'axe, le duo, euh, dans l'axe du Paris Saint-Germain, le duo Marquinhos et Kimpembe, il est intouchable, j'ai envie de dire. Peut-être quand Ramos va venir en forme, il va s'imposer. Il n'est pas quatrième là-bas, il y a Kerrer aussi qui revient. Vous voyez, donc c'est encore compliqué pour lui, au Paris Saint-Germain. Moi, j'ai envie de dire qu'il va s'abonner au banc du Paris Saint-Germain. Logiquement, quoi, par rapport au statut, par rapport voilà, à l'hierarchie du Paris Saint-Germain. C'est pareil avec Bounassar aussi. C'est pareil pour Bounassar, lui, il est quatrième, je ne sais même pas. Mm. Il ne joue pas. Mm. C'est pareil pour Ibrahim Mbaye. Et c'est pareil pour beaucoup de joueurs dans l'équipe nationale du Mais après, si on se procède on va exclure toute l'équipe du Sénégal, par exemple. On va exclure tout le monde. Parce que tu prends même dans l'attaque, il y a des jeux qui parfois ne jouent pas trop au aujourd'hui sur un match, demain il est blessé, après demain il vient, voilà, c'est compliqué. ça, il ne joue plus depuis quelques temps. Hein, il voilà, il ne joue plus euh, presque depuis qu'il est à, Monaco. Il, a des miettes, en fait. Voilà, mm. tu, prends des jeux comme ça, donc on se retrouve dans une situation d'exclure tout un groupe mm. de ne pas avoir des jours lors de la Coupe de la Fédération. Mais il faut procéder par des sélections, il faut préparer ces jeunes-là, il faut leur redonner de la confiance, leur permettre d'être à, niveau durant la Coupe d'Afrique des Nations. Et cela passe par des, des matchs comme ça, deux matchs à préparer, essayer de tester ben, le jour où Papa à la place de parce que si ce boy là un un de joué il dafay am confiance. il mhm. est compétitif. Mhm. c'est pas quelqu'un qui a qui a commandé ces minutes là à l'équipe en équipe nationale il le mérite. parce que c'est c'est un titulaire. il était blessé mon tax Ousseynou pas joué d' d'autres donc c'est lui le titulaire à Olympiakos donc moi je pense que il ne manque pas en fait d'arguments à lui il ne manque pas en fait de potentiel pour nous mettre en place pour mun a dem coup Coupe des mais moi je pense que ce qui manque peut-être qu'il est trop seul. Et ça aussi, c'est un appel. Il faut que l'efficacité soit renforcée. D'accord. Il faut qu'il soit renforcé parce qu'il est trop, trop seul. mon est moins j'ai envie de dire ça hein. peut-être ma mais là mon bon le et ça ça on fonce tout droit vers le mur donc c'est malheureux et pourtant il est parmi les 25 euh, sélectionneurs qui ont été nominés par euh, la Fédération internationale des statistiques du football euh, est-ce que c'est un paradoxe de nommer un sélectionneur comme il fait partie des 25 meilleurs au monde et il n'a jamais remporté de trophée. Bah, hmm. au côté de Didier Deschamps de Roberto Mancini. de tant d'autres. Hmm. Euh, Belgique gagne, c'est la première nation africaine. Oh, euh, mondial. Mondial. Ouais. Mondial, voilà. Ouais. Gagné où mm. day dem c'est des déceptions par-ci par-là. Voilà mm. la ko Statistiques, c'est des statistiques c'est des statistiques Dans les toog ñu la jour bi touché na 100 balles affaire yoon wala def na telle course c'est des statistiques c'est des calculs c'est-à-dire il mérite d'être parmi les 25 meilleurs entraîneurs mm. du monde après quand moi peut gagné ñu ngi koy ñaanal yàlla mu gagné ko su statistique la bonne mais gagner, na gagner. gagné mais du paradoxe je pense que il a c'est juste parce que il a une équipe qui fait partie des 20 meilleurs au monde aussi le Sénégal est 20e mondial mm. donc si tu as une équipe qui fait partie des 20 meilleurs au monde <laughs> c'est normal que le sélectionneur fasse partie des 25 sélectionneurs euh, euh, sur terre en fait donc c'est une logique en fait on respecte par rapport par rapport à la sélection nationale du Sénégal mais nga xam qui 20e position Aliou Cissé est 25e position c'est normal C'est normal euh, si on met les statistiques sur une table il qualifie l'équipe nationale du Sénégal régulièrement régulièrement c'est il perd rarement des matchs de qualification mm. et tu vois il perd rarement des matchs en fait importants mm. Les défaites de Russie, c'est peut-être l'Algérie deux fois lors d'une Coupe d'Afrique des Nations, ou bien récemment contre le Maroc, Amical, contre la Swatini, entre autres. Mm. Mais sinon, c'est quelqu'un qui gagne ses matchs importants. Il qualifie l'équipe. Nous avons dire les fins. Après, nous avons le beau jeu, nous avons gagné le lit, nous avons Après, il va sortir. Ces statistiques-là, il sortir. En 2008, dès qu'en 2008, c'était toujours désordre dans l'équipe nationale du Sénégal. Il a reçu à, à, Mais après, ce n'est pas suffisant tu as une équipe qui s'appelle le Sénégal, tu as des joueurs qui s'appellent Sadio Mane, Edouard mm. Mendy, Idrissa Gana, entre autres. Mm. Ça ne suffit pas uniquement de qualifier l'équipe à une compétition. Il faut gagner. Il faut faire bonne figure. C'est-à-dire qu'il faut rassurer les populations à travers le jeu que vous produisez. À travers le jeu que vous produisez, il faut que vous arriviez à rassurer le public sénégalais qu'on peut espérer gagner une compétition. Mais tant qu'on n'arrive pas à ce statut, à ce statut-là, il y aura toujours un ballonage, il y aura toujours des doutes, il y aura toujours des gens qui vont sortir de leur griffe, ou bien même parfois on va se regarder euh, en chien de défense mais en réalité, ça craint. C'est une réalité, ça craint, on gagne, mais ça craint. Parce qu'à tout moment, Eswatini peut te faire euh, une remontada. À tout moment, tu te dis que Congo va te faire euh, une remontada. Donc, ça crée pour une première nation africaine de football. Quand tu es première nation africaine de football, le respect, ça s'impose. Et cela c'est déroule sur le terrain. Effectivement. C'est que nous les remercions beaucoup. Hein? donc, ce dernier mot, hein? on va terminer. Ah, euh, Merci beaucoup. Et puis, tu vois Sénégalais. bon ñu ñu pas fait ci njort quoi. d'accord euh, parce que ça ne sert à rien ngay ngay euh, ngay tiire ci euh, gaal bi nga nekk. voilà parce que bu suufoo ñëpp suuf parce que la victoire du Sénégal c'est n'est pas celle d'Aliou Cissé c'est la victoire du docteur. Mm. mais Aliou Cissé aussi dafa war a xam c'est que l'équipe là ne l'appartient pas. dañ ko dénk quoi. Augustin Sarr moo ma football. waaw Matar Ba moo le président de la République moo ma football. le football ça appartient à tous les Sénégalais. effectivement te benn affaire dafa am kenn gënul xam. Quel football bi c'est-à-dire aujourd'hui les gens pensent que parce qu'ils sont dans la fédération sont ils étaient footballeurs wala qu'ils sont journalistes ils connaissent le football mieux que les autres qui sont chez eux yow le journaliste première ligue hmm. commande ngay 7 ans. Hmm. man keneen commande lay téye seetaan pas bah, papa ji foot, Fuuta commande ils 7 ans. donc li ngay gis lay hmm peut-être qu'il y a un farlu voilà loolu mooy qu'on sache que c'est une passion qu'on partage et que le Sénégal c'est quelque chose de ramener mais on pour la victoire du Sénégal et la nôtre. d'accord alors chers téléspectateurs c'en est fini de l'émission Safi Sport Je remercie bu baax Sekou Seydou bi nga xamante cet honneur de venir répondre à notre invitation Je remercie aussi sama caméraman Andron Samba Mamadou et ak Aboubacar Ndiaye di leen wax ba semaine Inch'Allah. algo